Mais le Jerry, mais bien arrivé. Toujours comme d'habitude. Hein. Non, rien n'est ma Maman de valeur. Mais nous, la il Ça, c'est la plus belle des plus belles. Ah la plus suivie des suivies. Oh. Non, c'est rien ne nombre estaba en catalán. Ah, bueno. Pues.